Salut, c'est Ma, Mota, fille qui être radio. De quoi L'artiste, notre mannequin qu'on a invité, Didier Iba, on a le plaisir d'accueillir dans le terminus africain de Léla, ce Bonsoir, ma chérie. Et bonsoir mes très belles jumelles de valeur. Mais mais je te jure qu'on est tellement content de t'avoir ici euh, parce qu'on fait partie de ces personnes qui te suivaient euh, de très près et qui étaient fiers de ce que tu es en train de faire. African Doll, est-ce que c'est le nom réel hein? Hein? African Doll, c'est le nom, tu es la euh, poupée, quoi Je suis la poupée à libre pouvoir de poupée. Ah bon Oui, je le fais pas exprès. Ah, ah, ah Un livre pouvoir de poupée. Tu fais pas... exprès, c'est naturel. pas exprès, c'est naturel. je une bébé, Ok, oh. donc j'ai dit que tellement douce comme ça. Milky, on se concentre. Hein? Milky, il y a du jour, tu vas dire Milky. Milky, il y a du jour, c'est que tu du Qu'est-ce que commencer qui euh, nañu ci parce parce que aujourd'hui euh, mm-hmm. deux hommes, deux hommes yomb mm-hmm. mm-hmm. nul gagne va parler poupée en voiture libre de poupée c'est ça que j'ai compris bul en voiture libre de poupée on est poupées en voiture, libre de poupée. Non, mais c'est pas vrai ça. Bon c'est un plaisir, ma chérie. En tout cas, le plaisir est partagé. C'est vraiment un plaisir de vous rejoindre. Vous, les queens of Dakar. Yes. L'ambiance au rendez-vous. Yeah, elle l'a dit tout à l'heure. On fait partie des personnes qui te suivent. Man, en fait. Waouh. <coughs> nank rek, nank. Nank, nank. Oui, ma. suba rek ñu jox ñu demande d'explication yi. <laughs> Billahi, billahi nous en fait on fait partie de ces personnes comme elle a dit tout à l'heure qui te suivent depuis oh pas mal de temps à la ah base et qui t'ont adoré en fait tu, milieu mannequin milieu mode mais quand on voit African Doll on voit qu'elle est polyvalente mais avant d'y entrer ma chérie mm, au début qu'est-ce qui t'a motivé hein de commencer, intégrer le milieu de du mannequinat je hein? dirais que intégrer intégré officiellement c'était en 2018 Mhm. Ouais, parce que j'ai eu à faire pas mal de shows. Mhm. Mais ce euh, n'est pas mhm. vraiment, vraiment une passion, ah. Donc, il euh, y a une de mes amies qui me. Moi, je me donne voir et tout. Et puis, les gens, ils me disaient tout le temps tu as un bout tu as la taille, pourquoi tu fais pas dodo milieu et tout. Après, euh, même les membres de ma famille me disaient pareil. D'accord. Mais n'est pas vraiment ma passion. Après, en 2018, fait que euh, intégré une agence, au place des As là où j'ai appris à marcher, les démarches et tout. Première euh, Fashion Week 2018, mhm. Madame nous sélectionnons. Ah bon Yes. Première Fashion Week oui. du tikko tak hein du contact. Fait que xam nga ne potentiel bee c'est vrai, xam. <laughs> Oh, ku xam Dakar Fashion Week on est en fait pour nga défiler ci rek c'est. non mais c'est exceptionnel. ah ouais j'avoue. C'est incroyable. Madame rek ñu jël la. ouais donc Madame et puis on m'a sélectionné genre moi j'étais choquée parce que je me disais que tant et c'était pas. Euh, mangi ngi débuté et que mangi jang ba tay donc euh, ma ñëw ni ni rek fekk na fi ñoo xam tane nañ fa peut-être cinq ans ou peut-être plus. Mhm. ma ñëw rek ñu sélectionné ma genre ça m'a choqué. mais mhm. après je me suis dit euh, voilà c'est la vie. et que peut-être amna lo xam tane ne mu ngi naan aussi man lo xam tane mëna ko yé d'accord après ça m'a donné l'opportunité de des Fashion Week j'ai eu plein d'opportunités de shoots plein de gens m'ont contacté pour. Et puis, euh, c'est parti comme ça, lol. Ok. Avec ça, on te voit, on, a, on voit tellement de potentiel. Déjà qu'on t'a vu dans le Dakar Fashion Week, on t'a vu dans d'autres défilés, mhm. représenter des marques de taille, Des des mhm. liggéey ay styliste yoo tout mhm. de comme Moussa Versailles. donc on a ma qui est derrière la Fashion Week et tellement d'autres choses. Qu'est-ce que ça t'a fait en début de carrière de connaître ces grands stylistes parce que ni de la carrière à ba pare. <laughs> te ak ñooñu. <laughs> non ça m'a grave fait plaisir en fait. Mm-hmm. parce que de base man xalaatuma woon sax que dina nekk mannequin affaire yooyu noonu mais genre ni ñuy waxee Adama Paris Adama Paris je me dis kan mooy Adama Paris parce que je la connaissais pas auparavant dama doon dégg turam. et mm-hmm. puis genre quand il elle m'a sélectionné genre euh, ça m'a fait plaisir mais c'était pas comme ni ko tout un truc de ouf mais après de fur et à mesure da ngay dem tu réalises que dafa femmes ni Dakar Fashion Week mo nek baccalauréat ou défilé de mode fille Dakar en fait donc première tentative sélection de Dakar Fashion Week dans la première tentative Salam alaykoum de défilé pour voilà ñu jël nga défilé pour Adam Pare elle a travaillé avec des personnalités publiques non mais mondiales Adam ne Adama Pare né ak Beyoncé Moussa Versailles aussi, pareil. Donc, qu'est-ce que ça te fait, toi, de collaborer avec des entités comme ça ça m'a fait plaisir parce que j'ai rencontré des personnes vraiment formidables et euh, qui m'ont permis d'apprendre sur moi-même. Parce que ni m'a fait que on me dit tout mille fois ces milieux et puis de partager ce genre de scène avec eux, ça m'avait, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai rencontré Disney new en fait. Soit des stylistes ou des mannequins. À mm-hmm. euh, Limozilla, mm-hmm. euh, Claudine, tu vois, genre mm-hmm. Kumbel, bijoux. C'est des mannequins, c'est des mannequins internationaux, tu vois. Donc à un moment, ça, ça m'a fait grave plaisir. new deux le coup Premier et c'est podium waaw surtout loolu <laughs> ma war a taxaw foofu nan lan lay def <laughs> tant yi di jaxasoo non mais euh, vraiment en plus premier boobu sax dafa faa faqasalu wëndeelu wëndeelu <laughs> mënta ñàkk mënta ñàkk mënta ñàkk mais yow rek sa faqasalu sax mayet du fee pare xëm pare xëm surtout pare xëm waaw yooyu yooyu da laa doon def ci scène bi wëndeelu c'est beaucoup de pression wala enfin boo ci dooree dugg bi parce que imagine toi ñëpp focus bët yëpp nekk si yow nga war a dox. genre c'est une pression parce que c'était ma première fois. Mhm. trip dip rek ñu teg la ci ay milliers de personnes. genre je euh, t'assure c'est chaud après genre euh, ça va quoi ça passe maintenant damay dox mais du ma sax bàyyi xel nit ñi. c'est comme si damay damay dox pour dem sangu ji. maintenant mhm. <laughs> ma chérie entre entre African Doll qui était à la base. juste mannequin, et maintenant qui est la modèle la plus prisée en fait du Sénégal, c'est quoi que tu as retenu depuis le début de ta carrière bon, En fait, euh, déjà, euh, mënoo tëb top. tëb rek dugg si dara. Mhm. nii mhm. il faut que nga jéem ko Gusto, xam mhm. lan. et puis moi euh, dama doon ànd ak ñi nga xam te ne ñoo ma jiitu milieu bi j'apprenais d'eux a may xelal nan ma tegal fii sa que. et tout parce que ñoom a dit tout. jiitu ñoo ma si ëpp expérience. vu que nekkul woon sama passion vraiment.

et puis bu fekkee né amul ku lay encadré rek mën nga jàdd bêtement mhm. parce que milieu bi da ngay rencontrer façon nit bu nekk. star yeeg di leen côtoyer ñi ñaan da star. <laughs> waaw vie de star xam nga dañu dañoo mool. xale yi na na xale yi dañu mool ngay tàcc. ah waaw la dafa am solo. yaay. wuy ma bàyyi li ngay def. ñu mool fofu donc euh, xalé genre, il y' a plein de tentatives hein. Il y' a plein de tentatives bu fekkee da nga noy bopp rek da ngay gawa dem du coup il faut que tu gardes la tête euh, haute et sur les épaules Il hein. mhm. faut que xam lan nga bëgg a def fan nga bëgg mhm. et puis où est-ce que nga bëgg nit ñi là. exactement en fait nit ñi ni ñu lay jàppee mooy ni nga faire, sa bopp ni nga refléter rek lañ lay delloo tu vois mhm. donc à un moment il faut que tu jël sa nopp bi jox ko koo tu en es sûre et certaine que du la teg si yoon bon alors c'est une transition pour moi pour parler de ta carrière musicale est-ce que mon musical est derrière ça donc, on mm-hmm. t'a vu faire des mm-hmm. collabs, notamment avec Reikil dans le son. Euh, dans son nouvel album. Dans son nouvel album, aussi, parfois tu t'amuses sur des lives, des extraits. Euh, mm-hmm. On a vu un extrait qui nous a vraiment frappé, avec Amira Abed. Ma chérie, d'habitude, dès que tu figuré en tant qu'actrice, euh, c'est un clip. ñu a euh, ngay way ànd qui bu neex ñun donc ça en fait comment ça a comment ça a débuté quand ça parle de polyvalence. Wow <laughs> ah polyvalence eh ben, ok en fait moi de base euh, musique c'est passion ah toujours été ma passion. donc ça bi ñu lay dégg ngay wax da nga ne mannequinat bi. dañ nga parce que tu avais mm-hmm. le profil et tout mais à la base. Mm-hmm. c'était pas ta passion donc musique bi nga gënoon fille. musique bi me se a depuis que je suis petite musique bi me se a ça a été euh, dafa nekk que xam te ça me libère. Mm. ak émotion bu mu mm-hmm. donc j'ai toujours adoré la musique. Mhm. Tout en sachant que j'ai une très belle voix, machallah. Donc, Maintenant, pourquoi avoir choisi euh, de Pourquoi avoir choisi de, nous, montrer cette facette de toi, bah, justement, actuellement Demain, en fait, chaque chose a son temps. En fait. Mhm. Et puis, je euh, ne sais pas mais je Parce que les petits showbiz, le mannequinat de gauche, bëgg euh, vidéo girl actrice en même temps mhm. chanteuse à un moment les gens ils vont être bourrés dans leur tête Et au final qui a lay tu vois donc il faut nga jox war en fait du coup je prenais le temps de faire les choses bien mhm. et y euh, ñu yegg filles hein mhm. ñu fël la musique ok est-ce qu'African Doll maintenant c'est c'est un artiste de Def Music Def Music c'est ma là. C'est cœur là. exact Ok, euh, c'est-à-dire Qu'est-ce que ça implique euh, Parce que quand on est chez soi, des fois, on se met, on s'assoit, des fois, on, s'allonge, euh, des fois, on se met debout. Ou même on vient accompagner. Des fois, on roule. <laughs> Des fois, on vient accompagner. Mais Def Music, c'est mon cœur là. Il n'y a, que mes frères, il n'y a que mes dits qui sont là-bas. Donc, je fais partie de la famille. Et puis, faut voir que c'est famille, mais Def Music, c'est ta, c'est ta maison, quoi. Mm -hmm. Def Music, c'est notre maison. Uh-huh. Ok. Maintenant, euh, bah, c'est une très grande maison, on dirait. Hein. Of course. Parce que euh, euh avec Régul, on t'a vu, puis la OP. Mm-hmm. Donc, on t'a vu euh, également euh, dans son clip Gare. Mm -hmm. On t'a vu dans. Il est beau, voilà. Versailles, C'est trop beau. Même la oh. coiffure. C'est elle qui chante là. Écoutons et revient macho bupika pel bire beta guna se bai beta guna se ai betu de lo sendo macho bupika pel is naning mai khole is naning no baby kani lani yo mani aya bimbam masul neexee xeni kon aya bimbam lay wax noonu aya bimbam da la wax ni ak fi le ëppee <laughs> ma chérie est-ce que tu es prêt maintenant pour te lancer dans un dans une carrière solo. Mhm. Inch'Allah, bientôt. Mhm. Bientôt, moi, genre, demain, après-demain ou en 2022 Non, la semaine prochaine, peut-être. Hein. Non, on ne sait jamais. Avec douceur, et comme on l'a toujours fait, avec tendresse. Mhm. Ouais, attendez voir euh, beaucoup de euh, choses. Euh, Quelle folie Alors, ma chérie, si on a envie aujourd'hui de faire un shooting avec toi, qu'est-ce que ça implique Nous pas préparé. Comment tu choisis Nous demain. Une telle marque. Après, ça dépend des marques. Parce que am na des xam te ni ils débutent ils te demandent des conseils ou même ils demandent des conseils aux photographes. Mm-hmm. Par contre moi même quand je dois shooter avec toi dinaa la laaj sur photographe, photographe. bu je te propose un maquilleuse pareil. ou même parfois am na styliste xam te ne dañ lay laaj collection. Mm-hmm. comme am na xam te du mm-hmm. et puis moi j'ai quand tu me demandes pas ça m'a avis j'ai pas de mot à dire. c'est juste un truc professionnel je bosse et puis je me tire. Ok, c'est quoi ta plus grande expérience en tant que mannequin Un truc que <laughs> tu as aimé et que tu as détesté en même temps. De toute façon, il y a plein de choses qui te marquent. Hein. En fait, parce que mannequin de base, nous mieux pas cinglé. Donc, coulisses, il y a des ambiances de malade. Genre, c'est ouf quoi. Parce que nous mieux pas y a Ken C'est quoi, c'est quoi les coulisses Qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses S'il te plaît, dis-nous ça. Oui, surtout de là, là. هاج مابيل ايكو لطيفة بن خليفة نو نو نو ايكو بيسكو دبلو ناكس تانك بتا ياني بمتي بامتينك غني ايلان ايكول مابيل ايكو لطيفة بن خليفة واي من لي بقى كاملة تينيو ممران بولي بولي من لي بقى You gotta get up. Wow. You gotta get up and make a move. Cause the world will never see you until you do. They don't really care what you're going through. J'ai perdu les paroles. Wow. <laughs> So you gotta show baby. Wow. You gotta wow. show the real you. You gotta give them what you got. No, don't let them see what you're not, cause you are strong. You are right. You are worth beyond the thousand in right? And you can be perfect, baby. Cause nobody's perfect, darling. But no, no, no, there's nobody in the world like you.

Les glaciers de valeur, c'est Bay by Accessoire. Mon maquillage de Berry Feeling, c'est euh, You Know the Vibe, toujours. <laughs> Quintar, Tar Institute. Et pour mes extensions de cils, c'est Nubian Beauty, Skin Pro. <laughs> Et pour la présentation de la voix, c'est African Doll, sensuelle. You know the vibe. <laughs> Donc, you a demnan. Demna, t'es du modèle demna. Dem go. Dem They Dem I dem Dem Gotta get up.